rencontre de ce matin euh, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de l'entrepreneuriat euh, qui débute aujourd'hui avec euh, ce grand forum de haut niveau voilà, qui regroupe l'ensemble des partenaires du RENDES, mais également qui regroupe tous les jeunes entrepreneurs membres du réseau qui a une représentation nationale. Donc c'est le lieu véritablement de remercier la tutelle, Madame le ministre de la Jeunesse, des sports de la culture, représenté ici par euh, M. le directeur de la jeunesse, M. Diallo. Je remercie également la Confégeste, voilà, Madame euh, le général de la Confégeste, représenté par Mme euh, Madame et M. Donon, mais également représenté l'ensemble des structures partenaires du réseau, l'ANPEJ, l'ADPME, l'AFPT, la Maison de la Culture de qui est un partenaire de longue date, et tous les jeunes entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui le thème euh, de ce forum, c'est l'entrepreneuriat, une solution face aux violences basées sur le genre. Les questions de genre sont des questions d'actualité, des questions qui s'imposent euh, à nous parce que l'entrepreneuriat n'a pas seulement une dimension économique, mais également elle a une dimension véritablement qui s'applique à la maîtrise des équilibres entre les deux sexes, mais également à toucher les couches les plus vulnérables. Et nous avons pensé qu'il était important de sensibiliser les jeunes, mais également de sensibiliser les femmes, qui en réalité constituent la base de la structure familiale et sociale. Donc renforcer les femmes aujourd'hui nous semble être la meilleure solution pour euh, répondre aux défis économiques qui se posent à nous, qui se posent aux jeunes entrepreneurs, mais également qui se posent à nos États. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous avons pu remarquer que depuis pratiquement des décennies, nous avons des difficultés à, décoller, malgré l'ensemble des efforts consentis par l'État. Donc, euh, je pense que l'entrepreneuriat est la voie balisée, l'issue heureuse, véritablement pour toucher la cible, mais également toucher les jeunes, mais surtout les femmes qui sont vulnérables. Et accompagner les femmes, renforcer les femmes, capaciter les femmes, semble aujourd'hui euh, une voie dédiée pour euh, répondre aux défis économique, mais également au défi de la pauvreté. Voilà, c'est ce qui nous a guidé en tout cas à prendre ce thème-là qui démarre aujourd'hui avec ce grand forum qui marque le début de la célébration, pour les de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat du Rendias. Le soir du pareil, Le soir du pareil, je Oui, que c'est le premier ministre du Sénégal. Au-delà de lui, il y a le président de la son Excellence, M. Faye. Monsieur le Premier ministre, euh, lorsqu'il a été euh, nommé, au lendemain, il avait assigné cinq idées majeures à son gouvernement. Et les questions, la question jeunesse constitue également un de ses, de priorités. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important également, et au nom également de, la tutelle. Voilà, parce qu'il faut rappeler que le également euh, a été toujours euh, appuyé par euh, la tutelle à travers le ministère de la, Jeunesse. Donc tout à fait normal et naturel que l'on puisse solliciter son, son vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, déjà le problème déjà est devenu un problème euh, qui ne date pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour éradiquer, n'est-ce pas, ces faits euh, qui, disons, qui partent en désavantage, n'est-ce pas, des fois Qu'est-ce qu'il faut faire Oui, il faut, il faut quand même euh, reconnaître que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts, d'abord sur le plan de la parité. Il y a quelques années de cela, la parité a été sur le plan de Maintenant, au-delà de, cela, et sur euh, l'aspect pratique, il va falloir, euh, comme je dit tout à l'heure dans mon postulat premier, il va falloir euh, renforcer les femmes. les femmes constituent l'essence de base même, le socle même de, de, la famille. Et nous savons tous que les femmes ne partent pas à sens avec les hommes. Étant donné 100 personnes qui, qui, partent à l'école, sur les 100, certainement s'il y a 50 femmes, on peut imaginer le nombre qui va arriver à, avant de bac fait de fléau, du fait du mariage, du fait des difficultés liées à la pauvreté et d'autres facteurs. Donc, ce qui fait que renforcer les femmes nous semble aujourd'hui l'avoir euh, la voie indiquée, en tout cas pour euh, réduire la pauvreté. Et les questions de genre également sont des questions euh, actuelles, parce que les femmes sont victimes. Récemment, on a eu des cas au Sénégal avec, je pense, le, le, le médecin-chef et sa femme. Il y a d'autres cas, d'autres cas. Donc, il nous faut dire qu'il va falloir renforcer les femmes.

ñu ngi ko tënk ci violence bi nga xam ni marital bi nga xam ni ñu ngi koy def jigéen ñi te nu jàpp ni loolu bu ñu ci ay saafara mën na ah, jaarale ko ci entrepreneuriat mën na jural jigéen ñi yokkute mais également mën na ci jafe yi nga xam ni moom la ñu am sur le plan économique mais également mën jigéen ñi di di jànkuwanteel bis bu nekk. waaw loolu nag jàppale bi mu ngi di ngeen ma may sax ci biir loolu ma remercier ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu dooleel tey jii mooy suñu ay partenaires ñi ngi xam ni euh, ñooy gunge ñooy gunge dañ Thiès depuis très longtemps parce que aussi réseau bi ci fàttali rek depuis 1994 lañ ko samp ay kilifa yu mag euh, jiite woon ko te ñi ko jiite woon tey dëgg yàlla ay exemple lañ ci Sénégal ay modèle lañ ci Sénégal donc euh, ci biir ñooñu rek ma ciy wax le ministre de donc euh, di jaajëfal madame le ministre de la jeunesse euh, des sports de la culture madame Khady Gaye mi nga xam ne tey moo ñu monsieur le directeur de la jeunesse monsieur Diallo bi ñëw tey euh, jiite daje bi. di remercier également la CONFEJES mi nga xam ni partenaire bu yàgg la ci réseau bi lépp loo xam ni day laaj ay question de jeunes muy Sénégal ak les pays francophones CONFEJES di ci dugal loxoom di ñu accompagner donc di ko remercier. Je remercie aussi ADPM, je remercie ANPEJ ANPEJ également YAG gunge réseau bi ci lu YAG YAG ci côté formation ci fànn yëpp di remercier 3FPT ak mbooleem partenaires yi nga xam ni tey ñoom ñoo ñu dooleel et à travers ces structures là ci la leen gestay di sukkandiku ngir accompagner jeunes yi ci wàllu formation ci wàllu capacitation mooy yokk seen xam-xam mais également di Gungé leen ci li nga xam ne ni projet ak fan fan la ñu war a jaar ngir am ay ay financement ñu ñëwaat tuuti ci question déjà waaw thème bi thème bi dafa am solo ndax euh, dañu ni entrepreneuriat war na mën nekk réponse ci violence bi nga xamni ñu ngi koy ci ñu bokk jigen ni mu nekk thème bu am solo thème boo xam à chaque fois bu ñu xëyee dinañu jàkkoonteel ay jafé jafé du jëm ci li ñuy machitalee jigen euh, ci suñu rew ak ci biti rew rew yu bari question la yo xamni ne à chaque fois dañ koy dégg di ko gis motax ñu japp ni tey euh, bu ñu doolé doolelee jigen ni yok sen xam-xam dëgëral sen taxaway